les euh, auditeurs et téléspectateurs euh, des programmes de Studio Kalangu. bonsoir et bienvenue dans le forum euh, de la presse de ce vendredi 27 août 2021. Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous propose des analyses sur des faits saillants et a marqué l'actualité de la semaine avec des confrères de la presse. Au menu de ce numéro du forum de la presse du studio Kalangu de ce jour, nous discuterons d'abord sur les récentes inondations enregistrées au Niger. Ensuite, nous parlerons de cette annonce de la levée de l'interdiction de la circulation des motos sur le territoire de la région de Tilaberi à compter du 1er septembre prochain pour un test d'un mois. Enfin, nous terminerons avec la situation épidémiologique du choléra au Niger. La maladie a déjà causé 35 morts à la date du 19 août 2021 au Niger. Pour analyser tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir nos confrères Maïmoune Gado, journaliste indépendante, Sidé Ousmane, journaliste indépendant également, et Alaj Mohamedou Souleyman, il est journaliste au journal en ligne Niger Inter à la modération de ce forum de la presse. Je suis Michel Béger. Une fois de plus, euh, bienvenue ici. vous venez de nous rejoindre dans ce forum de la presse du studio Kalangu que nous débutons par ces inondations qui attristent les cœurs de certains habitants à Niamey et en région. À la date du 20 août 2021, 30 départements et villes du Niger, soit 74 communes composées de 337 villages ont été touchés par ces inondations, selon la Direction générale de la protection civile. En ce qui concerne les chiffres par rapport à ces dégâts, l'on dénombre 7786 maisons effondrées, 409 cases, tout cela appartenant à à 10 578 ménages composés de 92 647 personnes. On déplore malheureusement 58 morts, dont 35 liés aux effondrements et 23 par noyade et 60 blessés, a déclaré le colonel-major Bako Boubekar, le directeur général de la protection civile et invité du forum du studio Kalangu de mercredi dernier. Un nombre de morts qui dépasse celui enregistré l'année dernière à la même date, et c'est sans compter ces milliers de têtes de bétail emportées et les champs de culture, classes, greniers et autres biens inondés. Quelle analyse par rapport à cet état de fait Elle agit Mohamedou Suleiman de Niger Inter. Euh, ben, euh, je pense que c'est désormais, euh, chaque année, on fait face euh, aux mêmes difficultés, la gestion des inondations, qui est essentiellement due à l'effet de l'homme. c'est justement quand on observe la construction anarchique euh, de l'habitation, que ce soit en, milieu urbain et même euh, rural, sur des zones inondables, mhm. euh, qui font que on a de ces conséquences-là lorsque l'eau arrive, c'est très violent et ça fait des, des, dégâts. Mhm. les sages disent toujours que l'eau ne rate jamais son, son, lit, en mhm. tout cas habituel, tôt ou tard. Et on se rend compte que pratiquement euh, les gens, sont, en tout cas, semblent ne pas euh, euh, prendre des précautions parce qu'il y a ce qui incombe la responsabilité des autorités, mais aussi des populations. Mhm. donc, je pense que il est grand temps d'écouter les services techniques, je veux dire, la question de, en tout cas de l'environnement. Mhm on a entendu en tout cas un certain nombre d'experts dans leur approche, c'est que souvent ensemble prendre des libertés par rapport aux réalités, euh, donc aux données techniques et scientifiques. Et tant qu'on continue à le faire, on va toujours gérer les conséquences, on va toujours avoir des, des, sinistrés. Euh, déjà, euh, on, on considère au niveau national, en tout cas, les dégâts je crois, plus de 65 000 euh, euh, victimes. Mhm. Euh, vous voyez, c'est quand même. Plus de 90 000. 90 pardon. personnes touchées. Je me souviens l'an dernier, la ministre du Plan, pendant qu'elle était donc, ministre, elle a réuni tous les directeurs du projet. On a annoncé 56 projets avec le ministre de l'Action humanitaire qui était venu. Tout cela, on se demande qu'est-ce qui a été fait de la gestion des la précédente catastrophe, justement. Mhm. Donc, vous voyez, d'année en année, on, se rend compte que véritablement, euh, on accumule, euh, en tout cas, des, des, mhm. situations, euh, mais pour combien de temps Parce que quand vous observez aujourd'hui dans, dans, dans, les centres urbains, ce qui est en train, ce qu'on observe, lorsque les citoyens arrivent eux-mêmes à vouloir euh, trouver des solutions. Par exemple, je vois la, conséquence que vous, allez voir que chacun va essayer d'amener soit de l'argile, mais de l'autre côté, les voisins qui n'ont pas les, moyens, mhm. leurs maisons sont inondées. Donc ça, ce n'est pas de solution. Je pense que euh, les grands temps, en tout cas, que vraiment les autorités respectent vraiment les normes euh, parce que les villes sont en train de s'accroître de façon anarchique Mhm. Et il n'y a pas de plan sérieux justement d'urbanisation. Mhm. Euh, je pense qu'on doit euh, véritablement, euh, en tout cas, dire à qui de droit, franchement, il va falloir faire attention. Quand on considère par exemple la situation au niveau du fleuve, vous voyez, au niveau du, fleuve, il y a a seulement les les aménagements hydro-agricoles. Mm, c'est vrai, il faut préciser préciser qu'il n'y a pas encore la crue du fleuve, mais l'eau est en train d'augmenter. Absolument. Donc, euh, dans les prochaines semaines, des, habitations. on peut s'attendre euh, euh, à des eaux qui viennent d'autres pays et qui vont rendre très, difficile. le fleuve un peu beaucoup plus à un niveau plus élevé. Absolument. Merci à vous, Maïmoun Gado. Selon vous, quelles sont les conséquences socio-économiques de ces inondations C'est vrai, aujourd'hui, dans certains quartiers, on voit des maisons qui sont quasi inaccessibles quand il pleut et tout ça, comme ça a été souligné par Elagi Mohamedou Mais sur le terrain, en réalité, quelles sont les conséquences de ces inondations C'est la situation sanitaire avec le paludisme. Bien sûr. Avec également le choléra qui est là. Mmh. Donc, il y a également la situation économique. Mmh. Parce que une, une famille qui est sinistrée aujourd'hui, est-ce que cette famille a les moyens euh, de subvenir d'abord, euh, non seulement d'abord à, ses propres besoins, <laughs> et ensuite penser à réhabiliter ou bien penser à construire encore. Donc c'est vraiment les, trois situations. La situation sanitaire, la situation économique et également la situation d'habitat. Mmh. Voilà euh, les conséquences. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Comme l'a dit Ibrahim, maintenant, il faut essayer de voir le plan d'urbanisation. C'est vraiment de revoir les plans d'urbanisation. Ça, ça doit être à long terme. Hein, parce que bah, ce plan, s'il faut le revoir, c'est. Parce que euh, on, L'hivernage ne dure que 3 à 4 voit mois. Que mhm. chaque, année, chaque année, le gouvernement dit avoir injecté un mhm. certain nombre de financements mhm. pour pallier à ces dégâts. Mais on constate que il suffit de la première pluie mhm. pour qu'il y ait inondation. Mais est-ce qu'on va continuer à entretenir quelque chose Dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on peut faire euh? Dans l'immédiat, ce qu'il faut faire, c'est vraiment les habitations mhm. où on, suppose que avec les pluies, qui sont proches également des, zones inondées, qu'on essaie de, de, faire déguerpir ces populations. C'est vrai, l'État est en train de faire déguerpir certaines populations, mais on a comme l'impression que ces, populations qu'on fait déguerpir, ces populations reviennent encore à leur place initiale. Mhm. Donc ça, c'est vraiment de prendre des mesures pour que les zones qui ont été déguerpies, que ces zones ne soient plus acceptées euh, euh, à ces populations-là mhm. de revenir. Donc voilà, et je pense que vraiment, comme on dit, c'est des catastrophes naturelles. Mhm. Euh, on ne peut pas tout de suite solutionner tout, mais ce qui est faisable, il faut le faire. Mhm. Ça veut dire il faut faire ce qui est faisable. Et ce qui est faisable. parmi ce qui est faisable, ce que vous pensez, ce qu'il faut faire, quitter les personnes euh, qui sont au niveau des zones inondables est-ce possible le plus vite possible Si oui, comment faire pour y arriver Ousmane Sidikou, journaliste indépendant. Merci Michel, merci aux autres confrères. Vous savez, euh, on n'avait pas cessé d'en parler sur euh, le phénomène des mm-hmm. inondations et la preuve, les mêmes causes sont en train de produire les mêmes effets et mm-hmm. la situation ne fait que euh, s'aggraver, mm-hmm. allant de, de, mal en pis. vous savez, moi je dirais que les responsabilités sont à partager dans cette histoire-là. Les populations, vous ne pouvez pas euh, continuer à rester euh, sur des habitations dont vous avez fait l'objet d'inondations au péril souvent de leur vie, mhm. euh, surtout que l'État aurait mis à la disposition de ces populations des, habitations mhm. et que, en dédommagé. Ça qu'ils soient annoncé mais souvent, c'est que ces populations disent que c'est loin et voilà. Mais il y a l'attachement au milieu. Mais eh, Michel, de vous à moi, est-ce que du seul fait de l'attachement, eh, vous l'avez si bien dit, les pertes en vies humaines, le bétail. Mhm. Donc moi, je pense que euh, c'est là où je dis les responsabilités sont à partager. Vraiment aux populations d'éviter de revivre le même scénario et à l'État de se donner les moyens pour que effectivement on n'assiste pas à chaque année au même scénario. Mm je l'ai souligné, occasion pour nous d'interpeller les vraiment euh, d'urbanisation. Mhm. Euh, aujourd'hui, même pas les anciens quartiers, même les nouveaux quartiers, il y a ce sérieux problème-là euh, d'urbanisation. Mhm. Il suffit d'une pluie pour se rendre à l'évidence que même ces, nouveaux, ces quartiers du nouveau, l'accessibilité est tout autre. Moi, je pense qu'il faut que chacun s'assume en prenant les responsabilités. On ne peut pas à chaque année revivre les mêmes situations. Euh, à Niamey, ça va, mais imaginez un milieu rural où euh, euh, ça amène les, maisons sont effondrées, le bétail est effondré, une famille peut se trouver à l'air libre mm. avec tout cela avec tout ce que cela comporte, ah, même dans le contexte d'insécurité, il y a le palu, on l'a dit, le choléra. Bon, ça, moi, je pense qu'il faudrait que l'État se donne les moyens de veiller au grain. Alors, je l'ai bien dit l'année passée, malgré le, le, nombre assez pléthorique de structures en charge de ces, de, ces situations-là, on voit que la situation semble les dépasser. Donc, je pense que l'État vraiment doit, doit prendre ses responsabilités, d'ailleurs, toutes ses responsabilités, et aux populations de grâce vraiment d'éviter de, de, revivre euh, vraiment la même situation chaque année. Donc, moi, je pense que euh, vraiment, si les dispositions sont prises, euh, on peut, euh, pour une première fois, euh, ne pas assister ce à quoi nous sommes en train d'assister pratiquement tous les ans et que la situation ne fait que euh, s'empirer. C'est bel et bien rattrapable, mais pour cela, il faudrait que chacun y mette du sien pour s'assumer et jouer sa partition. À vous entendre parler, on constate bien donc que les responsabilités sont partagées. Et là, je Souleymane Mohamedou, à l'heure actuelle, il faut parler aussi de besoins euh, de ces sinistrés qui dépassent déjà 92 000 à la date euh, du 19 août dernier. Actuellement, quels sont les besoins de ces personnes sinistrées euh, Les besoins, vous voyez, c'est d'abord l'habitation, mmh. la santé, les enfants, par exemple. c'est bientôt la rentrée. Souvent, mmh. on occupe les, classes, les mmh. écoles. Euh, donc, vous voyez, et en ce, moment de, de palu, vous voyez ce que ça fait. Mhm. Donc, euh, cette euh, promiscuité où effectivement mhm. gens, il n'y a même pas de. Et on parle effectivement de tonnes de choléra. Vous voyez, tout cela, c'est des conséquences à, gérer et encore déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà un autre lot de, de, déjà où il y a un camp de, de sinistrés de, l'année précédente. Mhm. Donc ça vient encore euh, accumuler donc, la situation où déjà on le sait, l'État fait appel aux, partenaires pour gérer cette situations situation. Mhm. Donc, vous voyez, il, va, il faut une euh, vision globale, en tout cas, euh, pour des solutions durables. Mhm. Et je pense que les solutions durables, c'est que souvent, au niveau des autorités communales, il faut avoir de la rigueur, ne pas gérer des affaires avec des sentiments. Mhm. euh, et cela, effectivement, qui nous, maintient dans cette euh, situation mhm. où vraiment on fait la même chose et on recommence les mêmes choses, les mêmes solutions, ça ne donne jamais. Mhm. Il faut oser justement, euh, lorsque par exemple, je euh, j'ai suivi, un, on, rapporte que des gens, par exemple, on leur donne même des terres ailleurs mais ils vont les vendre pour encore revenir occuper les mêmes, places. Mm. On sait effectivement l'attachement à la terre, mais il va falloir que justement l'autorité en tout cas puisse dissuader les gens en tout cas à ne pas revenir vraiment. Il faut vraiment euh, des solutions durables mon de mon point de vue. Merci beaucoup. Maïmoun Diado, que faut-il faire euh, pour mettre fin à cette récurrence euh, des inondations ou plutôt atténuer les dégâts puisque c'est des catastrophes naturelles. ces inondations qui sont récurrentes depuis 2010, on a l'impression chaque année. Je, ne peux que mhm. augmenter sur ce que Sidikou et là je viens de dire. Mhm. C'est vraiment des mesures à long terme, mhm. mais pour arriver à ces mesures à long terme, il faut la contribution et la collaboration de ces populations. Mhm. parce Parce qu'on a comme l'impression que l'État injecte, la population refuse. Mhm. Donc, si la population, l'État injecte et que la population refuse, on ne peut pas finir, ça ne peut pas finir, ces et, euh, on ne peut pas, cette situation ne peut pas finir. Donc, c'est ça. les habitations où on sait que vraiment, c'est des habitations archaïques, excusez-moi de le dire, parce mhm. qu'il y a certains quartiers aujourd'hui qui on doit nécessairement réhabiliter. Mhm. Ça veut dire que c'est des quartiers qu'il faut réhabiliter. Tout le monde le sait. Il y en a qui attendent à ce que l'État achète euh, ces endroits, et euh, leurs appartements, et que l'État leur donne de l'argent, par exemple. Mais l'État, en, supposant, en donnant un terrain déjà, mhm. l'État a fait de son mieux en disant, allez-y là-bas, on va voir comment est-ce qu'on va faire mhm. pour, euh, à, la longue, essayer de vous aider à construire. OK. Mais que l'État vous donne mhm. aussi de l'argent et que, à malin, malin et demi, vous revendez encore cette même place ou bien vous-même, vous revenez à cette place. Mhm. Donc, comment est-ce que vous voulez que nous, ou bien comment est-ce que vous voulez que, en tant que défenseur, par exemple, des droits de l'homme, qu'on continue à défendre ces populations qui refusent en tout cas de se replier sur ce que l'État veut. Et parce que, en fait, l'État aussi est conscient de ce que ces gens sont en train de faire, de ce qui se passe. <laughs> Mhm. Donc, c'est pour ça que, c'est un moment donné, ça doit interpeller tout le monde. Mhm. Mais quand ça se répète du jour au lendemain, mais ça ne donne plus l'envie et à d'autres personnes de prendre ça comme euh, une cause, euh, une lutte commune. Mhm. Ça ne peut pas se faire. Merci, Maimoun Diado. Un mot par rapport à ça pour tourner cette page. Euh, euh, à Niamey, nous euh, avons la situation de la digue qui est un peu stable jusque-là. Espérons qu'elle elle va tenir. C'est pour le moment. voilà. Pour le mhm. moment. Moi, je pense que je ne veux pas les oiseaux de mauvaise augure, mais la responsabilité première incombe à l'État. Mm Al-Hajj l'a dit, il ne faudrait pas commettre du sentiment. Mhm. Même si certains esprits malins s'entêtent à faire de cela une forme de commerce. C'est-à-dire, imaginez dans une école, ou bien dans une salle de classe, c'est plusieurs familles en même temps. La proximité avec tout ce que cela comporte comme risque, même l'intimité n'y est plus. Donc mhm. c'est là où je dis la responsabilité première incombe à l'État. Vraiment, il faut qu'on mette les sentiments de côté. On a dégagé un espace pour vous, on vous a donné les moyens pour, vous, pour, reconstruire, pour être relogé, si vous l'avez bradé, mais quand même qu'on veille au grain à ce que ces mêmes personnes-là ayant bénéficié de tout ce qu'il y a comme frais pour dédommagement mhm. ne reviennent pas sur leur ancienne euh, installation. C'est là où je, dis il faut que l'État vraiment sévise, qu'on mette les sentiments de côté. Ils ont beau vouloir en faire de ça un fonds de commerce au péril de leur vie, vraiment ça c'est leur problème, mais l'État doit veiller au grain pour que nous ne continuions plus à assister à ce que nous sommes en train euh, d'assister presque chaque année. Et euh, le comble, ça, ça va de mal en pis. Merci beaucoup. Le constat qu'on fait au niveau des trois confrères, ce qu'ils sont unanimes, que l'État a fait beaucoup d'efforts. Il faut donc peut-être contribuer à sensibiliser les les populations concernées, euh, notamment pour ceux qui concerne. L'État doit sévir, il ne faudrait pas qu'il y ait de complaisance. <laughs> Merci, on vous a compris, coup. Entamons à présent la deuxième partie de ce forum de la presse euh, du studio Kalangou de ce vendredi 27 août 2021. Euh, et c'est pour parler de cette annonce de la levée de la mesure d'interdiction de la circulation des motos sur le territoire de la région de Tilaberi en vigueur. C'était depuis le 13 janvier 2020. À compter du 1er septembre prochain, les motos seront à nouveau autorisées à circuler la journée dans la région de Tilaberi. L'information a été donnée par arrêté du gouverneur de la région, Ibrahim Tidjani Kechala, en date du lundi 23 août 2021, qui précise cependant que cette interdiction reste et demeure en vigueur la nuit comment les populations des localités concernées ont mm. accueilli cette euh, nouvelle. Euh, les populations euh, concernées ont accueilli favorablement cette décision, cette mesure, parce que mm-hmm. du moment où ce sont ces mêmes populations qui ont revendiqué mm-hmm. le fait qu'on lève au, moins cette interdiction de mm-hmm. circulation de motos, Donc, cette population ne peut être que satisfaite de cette mesure. Bon, maintenant, c'est ce qu'il faut essayer de voir également, c'est le contre et le pour. Mmh. C'est vrai, c'est très tôt pour pouvoir analyser certaines choses, mmh. mais il faut également essayer de voir les conséquences que ça peut aussi engendrer. Mmh. Je suis d'accord que la population ait demandé ça, mais est-ce que aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le nord Tilabiri, où nous voyons que ces bandits, en pleine journée, viennent sur des motos pour tuer des paisibles citoyens, euh, s'attaquer donc à des casernes, est-ce que ça ne serait pas aussi une possibilité pour ces bandits-là qui se cachent non loin de ces populations de s'infiltrer euh, avec cette population euh, qui, dont la mesure a été vraiment, la mesure d'interdiction de circulation à moto a été levée. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Il faut rappeler justement que la décision avait été prise parce que l'État a supposé que les terroristes qui étaient affiliés euh, à Al-Qaïda, mais aussi euh, à l'État islamique qui utilisait justement les motos pour poser leurs actes. Mais ce que beaucoup d'habitants de, la région de Tilaberi avaient dit, c'est que ça n'a pas empêché à ce qu'on ait des attaques. C'est ça en fait. et même sur moto, bien sûr. Oui, ça n'a pas empêché. Mhm. Ça, je le sais. Mais est-ce que ça va encore atténuer mhm. euh, cette euh, souffrance de ces populations Il y a des risques. Il y a des risques. Moi, je pense qu'il y a des risques. Vous partagez ce point de vue El Suleiman euh, Vous savez, c'est une question de sécurité. Mhm. Il y a beaucoup de paramètres euh, qu'il faut prendre en compte. Mhm. Euh, j'ai suivi le président de la République, c'était une promesse électorale. Oui, c'est vrai, le président a abordé euh, cette question pendant la période. Même pendant la période, il a posé beaucoup de conditions. Bien sûr. Par exemple, il a dit clairement qu'il ne le ferait pas tout de suite à mhm. Bani euh, vous voyez quoi Donc, tout simplement c'est une situation. Et il a dit que ça va être même en, réflexion, qu'il ne va pas décider vérité, de, de, prendre une décision comme ça. L'homme président de la République, qui est mhm. censé être euh, l'homme le, plus informé, a dit fois à l'occasion d'une conférence de presse. Euh, quand on a fait le parallèle avec Tilaberi et Difa, mhm. il a dit mhm. oui, à Tilaberi, ils l'ont fait parce que le rapport de force sur le terrain est favorable. Et à Tilaberi, il a dit que il le ferait lorsque, effectivement, le, rapport de poisson. C'est quoi, en fait, la difficulté euh, La difficulté à Tilaberi, c'est que euh, c'est le côté malien où véritablement euh, nous sommes dans une situation euh, assez complexe, mm-hmm. assez difficile, où de l'autre côté, les touristes très dangereux en tout cas, ont une certaine possibilité de, de, de, mouvement, en tout cas, de no man's land mm-hmm. qu'ils occupent parce que tout simplement, euh, de l'autre côté, il n'y a pas assez de, de d'efforts du côté du, donc, du, voisin. Mhm. Euh, maintenant, sur le terrain, la, la mesure en tant que telle, euh, il me paraît évident que la moto en soi, en tout cas, c'est un moyen de déplacement sur le plan, en tout cas, de confort de la vie, d'ailleurs, l'aspect économique, tout ça, mais en, mhm. vérité, que, comme l'a dit Mémoun, effectivement, est-ce que ça n'est peut pas aggraver d'une certaine façon la situation. C'est-à-dire qu'en fait, la, décision, on, arrive parce que simplement, on a arrêté les motos, mais la situation sécuritaire, en tout cas, ne s'est pas améliorée, ça, s'aggrave. Donc, vous voyez. Mm-hmm. Donc, tout cela, en fait, euh, l'inquiétude, c'est justement cette possibilité maintenant que les populations de profiter justement euh, donc, du mouvement général. Euh, donc, ce qui fait que euh, je pense il va falloir donc euh, être très vigilant. Il y a aussi des risques de bavure ou de, FDS. Mhm. Parce que lorsque, imaginez par exemple, on dit que la mesure c'est. C'est donc dans la, la, la, journée. Mhm. Mais quelqu'un qui est en déplacement, vous voyez, involontairement, tu peux avoir une panne. Mhm. tu dois rentrer. Donc, il y a beaucoup de, difficultés techniques, en tout cas sur le, sur le terrain. Et j'ai compris qu'effectivement, dans les centres bien peut-être que euh, c'est faisable. Mais pour le moment, euh, je pense que au regard de la situation à Tilaberi, ce n'est qu'un épiphénomène de la question des motos. Mhm. Parce que tout simplement, on, a interdit les motos. Euh, la situation, elle est euh, ça avec les motos. Mhm. Maintenant, l'interdiction, puisque c'est les motos qui sont utilisées. Mhm. Parce que techniquement, sur le terrain, vous voyez, en fait, avec les touristes, lorsque on vient à une attaque, les gens sont sur des motos. Hmm. Donc, même si eh, eh, on a des moyens opérationnels, en tout cas très très puissants, ce n'est pas évident de eh, suivre un à un les gens sur, les, sur, les motos. Hmm. Donc, ça vraiment la moto complique la situation sécuritaire. Je pense que l'autorité qui a amené à, lever la mesure, en tout cas, il y, y, a des conditions. Et le plus important, je pense que les sécurocrates, en tout cas sur le terrain, vont veiller vraiment à faire la part des choses et tenir compte surtout en tout cas de, de, la réalité. Sinon, euh, je vois que, en tout cas, j'ai suivi un acteur de, la société civile euh, de Tilaberi qui dit effectivement, mhm. que ce n'est pas ça l'essentiel aujourd'hui. Parce que la situation s'est détériorée. J'ai comme l'impression effectivement que l'autorité en prenant la mesure c'est rendu compte parce que vous, avez vu, la dernière fois, c'était le député de la région. parce que, en fait, la situation commence à dépasser l'entendement. Mhm. Donc, ce qui fait que moi, je pense que ce n'est pas la question des moteurs qu'il faut, c'est plutôt tout simplement davantage donner les moyens au FDS, les mhm. déployer conséquemment pour vraiment euh, faire face à la situation. Parce qu'autrement, ce qu'on vit, chaque fois on vient tuer les, gens, je pense que véritablement, ce n'est pas une affaire de moto, c'est une affaire tout simplement euh, des moyens de, de, de, de lutte. Les font des efforts. Mais est-ce que ces moyens ne peuvent pas arriver avec l'utilisation des motos C'est vrai que ça va compliquer, mais euh, parce qu'il fallait quand même... selon, selon les différentes déclarations qui avaient été faites, c'est que la situation était devenue terrible et donc les activités économique tournait au ralenti dans beaucoup de localités où les motos sont utilisées Bon, de façon générale, moi je pense que euh, c'est comme, comme, comme à Difa, vous avez par exemple ce qui s'est passé. Euh, donc c'est dire que tout simplement, nous avons à faire face à une situation donc, euh, de guerre asymétrique où vraiment ils ont beaucoup de moyens en tout cas pour faire des coups. Parce que mm-hmm. tout simplement, ces gens-là, avec ou sans moto, ils préparent des cibles ils viennent attaquer et vraiment essayer euh, à, s'échapper. Mm-hmm. Ce n'est pas vraiment une, une façon de corps à corps, vraiment. C'est un peu cela. C'est vraiment assez, assez, assez, délicat. Mais je pense qu'au niveau de l'opinion à Tilaberi, c'est déjà un pas quand même. Euh, on va voir véritablement euh, dans les semaines à venir. Est-ce que c'est -ce dans le quotidien des, mm-hmm. gens de Tilaberi Bien sûr, il est indiqué d'ailleurs que les choses vont être évaluées au fur et à mesure. Ousmane Sidoukou, à votre niveau, comment expliquez-vous cette décision des autorités est-elle liée à une amélioration de la situation sur le terrain ou bien relève-t-elle d'une volonté des autorités de soulager les populations dans leur mouvement vous euh, avez parlé d'évaluation. C'est cette évaluation-là que j'aurais voulu soit faite avant même de, de lever cette interdiction-là. Mhm. Mais euh, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Euh, c'est vrai, le forum passé, et le politique semble avoir subi cette pression-là. Elle a eu dans un premier temps une déclaration euh, des, députés de la région, mhm. une assemblée générale des ressortissants. Certes, L'interdiction euh, semble avoir produit l'effet contraire. Mhm. On a vu, après d'avoir interdit cette circulation des motos, la plupart des attaques se, font sur des motos. Mhm. Maintenant, peut-être que du fait qu'il y ait ralenti des activités liées à la circulation, à l'interdiction de circulation des motos, d'accord. Mais il faudrait que eh, les moyens soient revus et mis à la disposition. Là où euh, je reste un peu sceptique, quand on dit que c'est vrai, il y a des conditions, par exemple, euh, le propriétaire de la moto, son identité, les pièces de la moto, euh, même s'il n'y a pas de. de, de la, moto n'est pas en règle, le numéro de châssis. J'ai suivi récemment un audio euh, d'une autorité communale informant vraiment les modalités ou bien les exigences pour que la moto circule. D'accord. Mais comme elle dit que la nuit, peut-être les motos ne circulent pas. Allah je l'a dit, vous ne choisissez pas, par exemple, de tomber malade. Vous mhm. pouvez, dans la nuit, euh, être malade ou dans plusieurs localités. Il faut souligner que l'arrêté n'a d'ailleurs pas précisé à partir de quelle heure. Justement, et on dit la nuit, c'est voilà. et donc, dans certaines localités, ce sont ces motos-là qui font office d'ambulance. Ça, c'est un. Et de deux, vous pouvez dans la journée eh, quitter un point A pour, pour joindre un point B vous pouvez tomber en panne. Hmm. Donc vraiment, c'est là où j'ai dit, il aurait évalué vraiment, euh, voir si vraiment, indépendamment de la pression, indépendamment de ce que les populations sont en train de vivre, D'aucuns pensent que euh, même si les attaques se font sur moto, la réplique, pour beaucoup, les FDS utilisent ces motos. C'est là où j'ai dit, il ne faudrait pas que cela serve aussi à certains FDS de commettre des bavures. On a hmm. vu dans des localités où les motos sont à l'intérieur de leur maison. On les a trouvés, on a pris ces motos-là pour venir les, les, les calciner. Donc l'un de l'autre, moi je pense qu'il faut vraiment euh, apprécier la chose à sa juste valeur et que vraiment euh, les contours soient bien cernés. Donc les autorités doivent suivre ça de près. de près, de près. C'est cette évaluation-là qui aurait dû être faite préalablement. Mhm. Donc vraiment, occasion pour nous de vraiment remettre sur la table cette question de collaboration parce qu'elle s'impose plus que jamais entre population, autorité et FDS. Pour que les choses se passent bien, selon justement l'arrêté du gouverneur de la région de Tilaberi, qui est sous état d'urgence depuis 2017, une évaluation de la situation sera faite chaque semaine par des conseils départementaux et le conseil régional de sécurité qu'ils transmettront au ministre de l'Intérieur de la décentralisation. À quoi peut-on s'attendre dans dans les prochaines semaines et mois par rapport à cette nouvelle décision et que faut-il souhaiter, Maïmoun Diado Au-delà du 1er septembre, euh, nous allons voir en temps au mhm. euh, opportun euh, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui ne va pas, évaluer nous-mêmes mhm. à, côté donc de l'État mhm. pour voir ce que peut-être que l'État ne peut pas voir, peut-être nous, en tant que citoyen, nous pouvons également détecter. Mm. Donc voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut, ce que vous avez demandé mm-hmm. euh, par rapport aux souhait, souhaits. Le souhait, c'est que vraiment que les populations qui ont demandé la levée donc, euh, de cette mesure, mm-hmm. que ça va vraiment au bénéfice de cette population, mm-hmm. qu'il y ait moins d'attaque. Mhm. C'est le souhait qu'on peut faire pour euh, cette région, qu'il y ait moins d'attaques et que ça soit vraiment bénéfique pour cette population en termes d'économie, comme ils l'ont dit, mhm. et en termes également de certaines euh, situations, l'amélioration de leurs conditions de vie vos voeux par rapport euh, à cette décision qui sera en, vigueur, à compter donc, du 1er septembre à l'âge Mohamed Suleiman mon vœu, c'est qu'il y ait moins de complicité euh, et que vraiment les gens se disent que la question sécuritaire mhm. engage tout le monde. Les gens qui ont les motos, même dans les rangs des touristes, euh, on ne peut pas dire que effectivement qu'ils viennent vraiment des forces ex mhm. comme ce sont dans des îles parce qu'en train de moto, cela suppose qu'il faut du carburant, il faut des pièces, des tâches, tout cela. Mhm. Donc, vraiment, il faut que les gens se disent que c'est aussi une attitude citoyenne de collaborer à dénoncer les nôtres qui contribuent, en mhm. tout cas qui sont complices des terroristes. Parce mm-hmm. que c'est quoi en, en, train de vivre C'est nos frères, c'est en tout cas, c'est nous qui sommes victimes. Il faut donc dénoncer. Euh, et, ça, dure. Mm-hmm. Et la, conséquence, c'est toute la région, c'est tout le pays qui est en tout cas tiré vers le bas. Mm-hmm. Donc, par conséquent, je pense que il faut que, en tout cas, euh, les populations contribuent à collaborer vraiment avec les autorités, avec les FDS, en dénonçant, en tout cas, euh, les complices qui sont, en tout cas, parmi nous, parce que vous savez aussi la question de. C'est une polémique au niveau de la région de Telabéry. Vraiment, il y a beaucoup de, de suspicions mhm. sur effectivement euh, les locaux, en tout cas des populations, euh, des individus en tout cas qui sont. Euh, dans la population. Il faut les dénoncer. absolument, Il, faut, les dénoncer. Ousmane Sidoukou, un mot pour terminer par rapport à ça. Michel, vous savez, le verre est mm. dans le frein. Il ne mm. faut pas concevoir la face. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire, à, l'instant, mm. là, j'ai parlé de complicité. Je ne mm-hmm. peux pas comprendre qu'il y ait une attaque. La population a une part de responsabilité. Une très grande, part de responsabilité. Mm-hmm. À cet effet, il faudrait vraiment qu'elles mm-hmm. sache sachent que leur responsabilité, toute leur responsabilité est engagée dans la levée de cette interdiction-là. Parce que je ne peux pas comprendre qu'il y ait une attaque avec euh, une colonne importante de motos, qu'ils viennent, qu'ils perpètrent des attaques et qu'ils soient repartis sans qu'on ait des traces et qu'on n'ait pas à, à, mettre la main sur ces gens-là. C'est mhm. là où je dis le verre et dans le fruit et qu'ils sachent que, honnêtement parlant, leur responsabilité est engagée. C'est-à-dire ce n'est pas de la délation, mais vraiment tout comportement suspect mhm. doit être dénoncé, déclaré aux autorités, à ces mêmes autorités, de prendre toutes les dispositions vraiment euh, pour, protéger, les, les populations. Parce que généralement, qu'est-ce qu'elles disent, mhm. ces populations-là euh, elles, ont, beau vouloir, à euh, elles ont beau déclarer sous le couvert de l'anonymat, ils, ont, euh, ils sont vite euh, détectés. Mais l'un de l'autre, ça remet sur la table la question impérieuse la nécessité de collaborer et de bien collaborer entre population et, et, Ils en ont payé les frais, ils ont bu l'interdiction. Mais il ne faudrait pas que cette levée-là, euh, vraiment, c'est un test grandeur nature Espérons pour eux. que les choses vont beaucoup s'améliorer dans même, hein. les jours, semaines et mois à venir. Merci beaucoup. Intéressons-nous pour finir euh, ce forum à cette épidémie de choléra qui sévit au Niger depuis quelques semaines. En effet, plus de 800 cas de cette maladie ont déjà été déclaré dans six régions sur les huit que compte le pays, avec euh, malheureusement 35 morts à la date du 19 août 2021 selon le ministère en charge de la santé publique. De 12 décès le 6 août dernier à 35 morts à la date du 19 août 2021 et seules les régions de Difa et Agadez euh, ne sont pas touchées par cette épidémie à la date du 19 août 2021. Les six autres en sont victimes. Quelle analyse, Maïmoun Gado, par rapport à cette euh, situation épidémiologique euh, actuelle du choléra au Niger euh, Vous l'avez dit, la situation épidémiologique euh, du choléra au Niger inquiète parce que si on regarde de 12 morts, aujourd'hui nous sommes à 35 morts, mhm. ça veut dire que ça c'est vraiment du sérieux. C'est du sérieux. Et j'ai vu le ministre de la Santé quand même qui, qui, est en train de faire beaucoup de choses pour euh, pouvoir euh, sensibiliser aussi les populations mhm. sur leur comportement euh, de propriété. Et n'oubliez pas également que c'est une période favorable avec les inondations. Mhm. Donc, euh, le choléra euh, a une voie de transmission hydrique, c'est-à-dire c'est l'eau et les aliments. Et les aliments ils ne sont pas bien lavés. Voilà, justement. Donc, il faut effectivement qu'il y ait un changement de comportement de la population. Mhm. Parce que c'est vrai, on ne peut pas chaque fois euh, dire à une population, il faut d'abord laver les mains, il faut d'abord faire ceci avant de consommer les aliments, laver les, les aliments. C'est vrai, le, le Nigérien, c'est vrai que nous sommes un peu têtus. Il faut chaque fois rappeler à ces Nigériens comment est-ce que son comportement alimentaire même, il doit faire en sorte que son comportement alimentaire doit suivre euh, hygiéniquement. Mm-hmm. Et euh, c'est juste que il faut une sensibilisation, mhm. il faut vraiment la collaboration des médias, qu'on le veuille ou non, pour qu'on arrive euh, à surpasser cette situation. Mhm. C'est vraiment une situation qui est là, qui alerte, qui doit alerter tout le monde. Et d'autres pays aussi, euh, d'autres voisins sont également euh, dans ce, même problème. Mhm. Les cas enregistrés, d'ailleurs, on constate qu'il y a un lien avec les zones euh, frontalières. Avec les zones frontalières. Donc, euh, mhm. ça ne peut venir que de ces zones frontalières. Et vous avez vu mhm. combien déjà, nombre de cas qu'on a enregistrés, que le Niger a enregistrés, mhm. et qui nous dit aujourd'hui les deux régions qui ne sont pas en cause peuvent être en cause. DIFA et Agadez. Donc, il faut également des mesures là-bas au niveau de DIFA et d'Agadez. Mhm. Parce que <laughs> la, maladie, qu'on le veuille ou non, ça se mhm. transporte. Donc, voilà, moi, ce que je peux dire, c'est vraiment mettre l'accent sur la sensibilisation. Merci, Maïmoun Gado. Elhaj Mohamed Souleiman, comment le Niger peut renforcer sa riposte face à cette épidémie pour vaincre euh, ce choléra qui fait peur euh, ces jours-ci ben, ce que le ministère de la Santé est en train de faire, euh, c'est d'alerter, rappeler les mesures d'hygiène dans un contexte justement euh, de pluie, mhm. euh, parce que puisque c'est lié à l'eau, imaginez le monde rural où il n'y a pas L'accès euh, à l'eau est difficile. Même euh, l'eau potable, mais aussi mhm. les toilettes euh, en bonne et due forme. C'est une maladie qui a besoin d'hygiène. Absolument, a besoin mhm. d'hygiène. Donc tout sera très compliqué. Mhm. Donc il va falloir donc, continuer à, particulièrement dans ce milieu, continuer à, sensibiliser. on se rend compte véritablement de, vous voyez, de 12 à, 35 et a euh, pas, juste deux semaines, je crois, c'était trois régions de du pays qui mhm, étaient, concernées. Mhm. Aujourd'hui, c'est six régions. donc on a que deux régions qui sont épargnées. Donc, euh, vous voyez, c'est assez, c'est assez délicat. Mhm. Nous le savons, la, euh, l'hygiène n'est pas notre première qualité, mais il va falloir justement, comme l'a dit Memouna en tout cas, les faire responsable en tout cas du ministère de la Santé doivent continuer à sensibiliser Aujourd'hui, euh, Dieu merci, quand il y a des, des, les moyens de communication, les radios communautaires, mhm. qui particulièrement, en tout cas, doivent euh, être appuyés pour passer le message constamment, en tout cas, au niveau des populations, parce que les populations et ces, ces, radios rurales, en tout cas, les radios communautaires, va en tout cas falloir euh, donc intensifier la sensibilisation, parce qu'on pense que c'est quand même lorsque les gens voient concrètement les, les, les dégâts euh, de la maladie, on a vu par exemple avec, avec, le, avec le Covid, euh, malgré tout, euh, les gens restent en tout cas souvent, c'est dangereux, sceptique, mais je pense que le, le, choléra comme le palu, mhm. c'est c'est plus en tout cas visible. Mhm. Les conséquences sont plus visibles au niveau de la population. Donc le fait d'insister en tout cas à les sensibiliser, ça pourrait avoir beaucoup, beaucoup d'impact pour minimiser justement les, les dégâts. C'est vrai, les dégâts sont là visibles. Le choléra, il faut le dire, c'est une maladie qui a un traitement qui peut donc être traité. Pour les symptômes, nous avons euh, des diarrhées qui inquiètent et puis la déshydratation. Euh, pour traiter, on a besoin des antibiotiques. Le traitement se fait donc au niveau des centres de santé. Mais le problème ici, c'est que lorsque le patient n'est pas vite euh, traité, donc il n'y a pas le diagnostic, c'est là qu'il y a les causes de décès. Et c'est là que c'est un peu dangereux. Euh, face à cela, Ousmane Sidoukou, quelles sont les attentes de la population pour être définitivement à l'abri de cette épidémie de choléra les attentes, euh, Michel, elles sont là, elles sont assez pressantes et assez préoccupantes, surtout au regard vraiment de la recrudescence euh, du nombre de cas que nous sommes en train d'enregistrer et même des régions, vu la propagation. Euh, je l'ai si bien dit, le ministère en charge est en train de faire euh, du mieux qu'il peut. Mhm. moi, je pense que les partenaires doivent lui emboîter les pas et aussi mettre à contribution ces radios communautaires dans ces localités qui mhm. sont euh, vraiment assez écoutées et d'ailleurs même qui doivent être les portes d'entrée aussi bien pour ces partenaires que même pour l'État. Donc euh, occasion pour nous d'interpeller les, les, autorités en charge indépendamment des missions terrain pour constater de visu, en faire un suivi constant et régulier, mhm. il faudrait que ces radios-là soient euh, dotées de moyens euh, dans le cadre de la sensibilisation euh, pour que effectivement ces populations-là puissent se rendre à l'évidence. Vous l'avez si bien dit. C'est-à-dire, on peut bien traiter ça, mhm. les symptômes d'accord, mais mhm. pour qu'il n'y ait pas cette confusion, moi je pense que si ces radios-là sont dotées, elles sont accompagnées et appuyées aussi bien par les autorités en charge que les partenaires, je pense que euh, ça peut porter, ça peut impacter pour que ces populations prennent euh, la mesure euh, de la gravité de cette maladie. Donc, je pense que, surtout que le, contexte ne s'y prête pas, nous sommes en saison pluvieuse, vous êtes mm-hmm. bien, c'est un truc hydrique qui nécessite vraiment une certaine hygiène. Mm-hmm. Donc, moi, je pense que si tous les acteurs sont mis à contribution, notamment les radios communautaires, qu'on ne se lasse pas de communiquer, de sensibiliser. Je pense qu'on pourrait, à défaut de voir euh, son éradication, on peut assister à une atténuation euh, qui pourrait, à la longue, euh, aboutir à, à l'éradication, Michel. Merci à vous tous. Il faut donc beaucoup d'hygiène face à cette maladie. Il faut laver avec de l'eau, et du savant. Chers auditeurs et téléspectateurs, nous sommes au terme de ce forum de la presse du studio Kalangu de ce vendredi 27 août 2021. Nous disons merci à nos invités. Maïmouni Gado, journaliste indépendante, Sidoukou Souman, journaliste indépendant également, et Alaj Mohamedou Souleyman journaliste euh, au journal en ligne Niger euh, Inter, à la modération de ce forum de la presse. Euh, c'était Michel Deji à la réalisation vidéo Senesaka. et à la régie pour le son Ayuba Mustafa. Excellente soirée à toutes et à tous et au revoir.